Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. 120 milliards de francs CFA pour l'enseignement supérieur. Le ministre annonce un budget ambitieux pour résoudre les défis immédiats des universités publiques. En visite à l'UGB de Saint-Louis, le docteur Abdourahman Diouf a exposé les détails de cette initiative. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans le trésor des régions, nous irons à Thiès où les agents du service du commerce assurent une vérification rigoureuse de l'application des nouvelles directives sur l'huile, le sucre, le riz, le pain et le ciment. Pendant ce temps, à Kaolack, un CRD a été organisé pour fixer les prix des produits concernés par la baisse. Et enfin, nous nous rendrons en casement sous la campagne de transformation de l'anacar des Plombés par une rareté criante des lois cette année. Les transformateurs font face à une pénurie et à des prix élevés pour la matière première. Pourquoi Abdoulaye Sinkaré nous répondra. Voilà pour le menu de ce trésor. Bienvenue à tous. D'abord, ce chiffre, 120 milliards de francs CFA, c'est le budget annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour résoudre les problèmes à court terme des universités publiques du Sénégal. En visite à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Dr Abdourahman Diouf a partagé ses perspectives. Diana Badia nous en dit un peu plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les doléances listées ici sont plus ou moins identiques à celles des autres universités déjà visitées. Manque d'eau ou de connectivité, retard dans l'exécution des chantiers, des conditions sociales et pédagogiques qui sont loin d'être les meilleures, des difficultés imputées en grande partie à l'insuffisance du budget. Il y a eu une erreur de départ qui a fait que nous sommes dans une année où toutes les universités fonctionnent au ralenti parce que les budgets n'ont pas été donnés à, la valeur attendue. Donc le problème, ce n'est ni le recteur, ni le ministre, ni le directeur du groupe. C'est un problème à la limite structurel pour l'année 2024. Pour cela, nous sommes en train d'y travailler. Vous voyez que depuis ma prise de fonction, je consulte tout le monde. On a fini le diagnostic situationnel. On se rend compte que nous avons un problème de 120 milliards pour régler les problèmes de l'université à court terme. Quand je dis à court terme, c'est d'ici la rentrée d'octobre 2024. Au-delà du budget global, on a ici un problème de chantier. Mais vous verrez aussi que la plupart des chantiers, que ce soit les chapiteaux qui sont déjà terminés, qu'il faut juste réceptionner pour pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants, le restaurant, les projets sont assez avancés. Nous savons actuellement sur quel levier il faut actionner pour augmenter le nombre de places. En fait, tous les problèmes qu'on a vus ici sont résolus pratiquement à 80%. Des grèves occasionnant des dégâts matériels ou des journées sans ticket, un mode de lutte utilisé souvent par les étudiants pour manifester leur mécontentement. Des pratiques parmi d'autres qui plombent la bonne marche de l'université. S'y ajoute le dérèglement du calendrier universitaire, des problèmes quotidiens à résoudre avant de s'attaquer aux grands défis. Nous autres, dans notre gouvernement, avec le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko, qu'on règle d'abord les problèmes quotidiens, mais aussi qu'on naît une, une, projection sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années de l'université sénégalaise. On peut continuer à construire des amphithéâtres, des résidences universitaires, mais il faut améliorer l'enseignement à distance. C'est ça qui permet d'amoindrir les investissements et de mettre ces investissements dans le capital numérique pour avoir un capital humain. La tutelle a établi une communication franche avec les différentes composantes de l'UGB. Le ministre en a profité pour revoir avec un brin de nostalgie sa chambre d'étudiant au village A. Les meilleurs élèves de Mariam Abba à l'honneur, 124 jeunes filles euh, récompensées en présence du ministre de l'Éducation nationale, Mustapha Girassi. Ce dernier promeut le développement de l'intelligence émotionnelle des élèves grâce à l'éducation musicale. Reportage de Badesek et Massambatian. Tradition respectée au lycée d'excellence Mariam Abba de Gorée. Avec un palmarès des moyennes annuelles qui frôle les 19 sur 20, l'excellence mérite d'être célébrée avec comment le programme du terminal est long. Donc, je m'en me suis, suis, sortie et je suis très fière euh, aujourd'hui de pouvoir recevoir ces prix-là. Il faut juste euh, s'appliquer, faire des exercices, faire des recherches, apprendre ses leçons au jour le jour. Et je pense que tout le monde fait ça déjà. Donc, euh, après, ça va. Parfois aussi, on regarde des vidéos par-ci, par-là, on recherche d'autres exercices. Il faut juste s'impliquer, aimer ce que l'on fait, parce que sans la patience, si on n'aime pas trop, c'est un peu compliqué. Au total, 124 élèves ont arpenté les marches du podium pour recevoir leur lot de récompenses. Le ministre de l'Éducation nationale a invité les jeunes filles à porter partout le flambeau de l'excellence. Nous célébrons encore aujourd'hui l'excellence. Nous pouvons en effet nous enorgueillir de la belle moisson récoltée au niveau des taux de promotion interne et à certains concours comme Miss Math, Miss Science, le haïku, les Olympiades de mathématiques, Collège du Monde Uni et j'en passe lorsque nous réalisons des moyennes de classe de 17 et quelques en cinquième. Avec une récurrence de plus de 16 dans la quasi-totalité des classes, il y a de quoi être fier et de continuer à croire que la traditionnelle exigence de résultats bien connus de chez nous est perpétuée. Vous avez emprunté la voie de l'excellence et avez prouvé que l'esprit n'a point de sexe. Je vous exhorte à y rester pour que dans un futur proche, vous puissiez aider votre cher pays à relever les défis du développement durable. Les harmonies de la connaissance, plaidoyer pour une éducation musicale intégrée et valorisée, thème de la présente édition. Une occasion pour la communauté éducative de souligner l'intérêt de l'éducation musicale dans les enseignements apprentissage apprentissages. La raison ne développe pas l'empathie, ne vous connecte pas à votre communauté. Mais avec la musique, avec l'art, vous développez cette autre forme d'intelligence, donc l'intelligence émotionnelle, qui vous amène à mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre, à vous connecter à votre environnement, à votre passé, à votre futur, aux arbres, aux oiseaux, aux jardins, à votre maman, à la langue, à votre environnement de façon générale. Le lycée d'excellence Mariam Abad de Gorée, depuis sa création en 1978, a produit plus de 1200 pionnières qui ont occupé de hautes fonctions dans le pays et à l'international. Avec l'association des parents d'élèves, elles ont à travers leur amical profité de la cérémonie pour faire un plaidoyer pour de meilleures conditions de travail de l'établissement. Et c'est fini pour l'édition 2024 de la Semaine nationale de l'enfant. Ouverte à Cafrine, elle a été clôturée ce 29 juin à Dakar. Cette 36e édition a été un moment fort de plaidoyer en faveur des droits des enfants. La réflexion a porté cette année sur la qualité et l'accès à l'éducation. Le ministre de la Famille et des Solidarités, en communion avec les enfants dans le BRT, L'acte est symbolique en ce jour de clôture de la Semaine nationale de l'enfant point de chute Padua, commune à l'honneur cette année pour la cérémonie officielle. Ponctuée par diverses activités de sensibilisation et de plaidoyer sur la promotion des droits et la protection des enfants, cette semaine a été une occasion pour nous de partager et de réfléchir ensemble sur les défis et les opportunités liées à l'éducation de nos enfants. L'éducation de tous les enfants en Afrique, l'heure est venue, thème de cette 36e édition. Devant la tutelle, les enfants ont dénoncé les freins à leur droit fondamental à l'éducation. De nombreux enfants se voient privés de leur droit fondamental d'éducation en raison de leur non-déclaration à la naissance des milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école faute d'être de naissance vivant avec un handicap qui rencontre d'énormes difficultés pour accéder à une éducation adaptée à leur situation. Les écoles ne sont pas souvent équipées pour les accueillir. Certains de nos camarades sont dans la rue alors qu'ils devaient être dans les arts ou même en famille. La réalité de l'éducation reste encore un problème majeur. Le gouvernement du Sénégal, sous la houlette de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, s'engage résolument vers l'amélioration de la gouvernance, de la qualité et du financement du système d'éducation et de formation. Un accent particulier sera mis sur l'éducation des enfants en situation de handicap, de même que l'intégration effective des langues nationales et des DARA dans le système éducatif. Le ministre annonce aussi des concertations sur le processus d'adoption du Code et du Parlement des enfants, des instruments qui vont participer à la promotion et à la protection de cette couche vulnérable de la société. L'association des juristes sénégalaises célèbre ses 50 ans d'engagement, lancement officiel lors d'une conférence de presse mettant en lumière réalisations passées, défis actuels et perspectives prometteuses pour l'avenir de la structure. Silla, La célébration du 50e anniversaire de l'amicale des juristes sénégalaises symbolise des années de lutte constante d'éminentes femmes juristes engagées avec motivation et détermination dans la promotion, la protection et la vulgarisation des droits humains. Le thème général de notre euh, célébration, c'est euh, justement euh, environnement et sécurité, deux défis majeurs pour les femmes et les enfants. Pourquoi Parce que nous sommes à une époque où justement les questions environnementales et les questions de sécurité sont des questions de l'heure. Et je pense qu'il est temps que la se penche sur ces questions vues sous l'angle du genre, c'est-à-dire leur impact sur les femmes et les filles. Et c'est une réflexion à mener et nous comptons la faire au cours de ces 50 ans. Pour rapprocher la justice des justiciables, l'amicale des juristes sénégalaises a mis en place des boutiques de droit dans cette région du Sénégal. La structure travaille aussi avec différents acteurs qui servent de relais au niveau local. Les boutiques de droit sont des centres d'accueil, d'écoute, de conseil et de proximité pour les populations. Les boutiques euh, permettent euh, d'accueillir les victimes de violences, mais également toute personne, homme ou femme, qui souhaite avoir des conseils juridiques, qui sont gratuits, parce que les conseils sont gratuits, de sorte que euh, n'ayant pas la possibilité d'aller peut-être devant des conseils juridiques payants ou euh, des structures payantes, elles puissent au moins avoir la satisfaction de voir leurs problèmes résolus quand elles se présentent aux boutiques. Que ce soit des questions juridiques de droit de la famille, euh, de droit du travail, de droit fiscal, ou tout simplement des questions de violence, et ce sont les questions d'ailleurs les plus nombreuses. L'amicale des juristes sénégalaises constitue aujourd'hui une source d'influence dans la définition des politiques publiques en matière de droits des femmes. Elle se positionne comme l'une des organisations incontournables dans l'environnement des droits des femmes et des enfants. Et en sport, retour sur le championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Le Sénégal célèbre une moisson exceptionnelle avec trois médailles d'or, un exploit historique depuis 2012. La Fédération sénégalaise d'athlétisme dresse un bilan très positif de cette performance remarquable. François Sec et Amadou Diab. Le Sénégal, fort de 19 athlètes, est revenu auréolé de gloire de la 23e édition des championnats d'Afrique de Douala au Cameroun, une moisson abondante avec trois médailles d'or. Depuis 2012, nous n'avons pas eu autant de médailles d'or. Donc 12 ans après, on se retrouve avec trois médailles d'or. C'est une satisfaction pour nous, malgré les difficultés que nous rencontrons. Donc euh, bravo aux athlètes. Premier à faire retentir l'hymne national du Sénégal, Cher avec un chrono de 45 secondes 23, le pensionnaire de la douane a survolé le 400 mètres plat. À 29 ans, il devient champion d'Afrique pour la première fois de sa carrière. Voilà un athlète qui est capable très rapidement de battre le record de notre grand champion Amadou Gakou qui est de 45-01, qui date de 1968 euh, aux Jeux Olympiques de Mexico. lui françois Mendy monte sur la plus haute marche du podium. Il décroche l'or du 110 mètres et avec un chrono de 13 secondes 48. Avec sa performance, il est actuellement non seulement la médaille d'or, mais d'une manière intégrale, le meilleur africain. C'est vraiment le leader du 110 mètres et africain. Donc, euh, nous comptons sur lui. S'il arrivait en finale, ce une très très grande satisfaction. Salissard, 21 ans, triomphe au triple saut et s'empare de la médaille d'or avec ses 14 mètres 06. Elle est très jeune. Elle fait une performance que Kendo à son âge, ne faisait pas. Loin de là cette petite salissade, si on l'encadre, et pour battre le record de Kendo est devenue vraiment une très très grande team sauteur mondiale. Une place sur le podium avait été annoncée pour Ahmad Faye, qui a réalisé un saut de 16,54 mètres Finalement, classé cinquième, un recours a été déposé. Nous avons introduit une réclamation. La Confédération va voir ça de, cela de très près. S'il est avéré que Amat est effectivement troisième, donc euh, les choses vont revenir à la normale. Avec ces trois médailles d'or, le bilan est satisfaisant pour le Sénégal à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Le seul qualifié que nous avons pour avoir réussi à atteindre le, standard de qualification, c'est lui, François Mendy. Bon, maintenant, nous avons euh, Cheikh Diouf et Salistar avec leur titre de champion et de champion d'Afrique. Peut-être que cela va pouvoir passer, mais il faut qu'on laisse le temps à la fédération de voir concrètement ce qui va se passer. En attendant, la Fédération sénégalaise d'athlétisme prépare les futures échéances et en appelle à l'implication de tous. Et puis Euro 2024, la France accepte en quart de finale. Les Bleus sont venus à bout des Diables Rouges, un but à zéro à l'issue d'un match presque à sens unique. La Belgique éliminée, les hommes de Didier Deschamps seront face euh, au Portugal pour une place en demi-finale. Retour sur la victoire des Bleus avec François Sec. C'est pourtant créé bon nombre d'occasions. La France en quart de finale de l'Euro 2024. Les Diables Rouges n'en reviennent pas. La France se qualifie en quart de finale avec un bilan mitigé. Deux buts contre son camp et un penalty. Son jeu sur le plan offensif est à revoir si la France veut franchir d'autres étapes dans ce tournoi. Et ça commence dès ce vendredi face au Portugal à Fayako, au cœur des îles du Saloum. Retour aux sources pour l'international sénégalais Pamatarsar. Accueilli chaleureusement dans son village natal, il s'engage à soutenir sa communauté, une occasion unique de mettre en lumière la riche culture serrère. Abdelaziz Ban. Un accueil chaleureux à fatigue pour l'international sénégalais Pamatarsar. Ensuite, cette rencontre avec le monde sportif de la région en présence des dirigeants et joueurs des différents clubs ensuite sur Fayako à bord de pirogue. Dans cette localité des îles du Saloum, la délégation est accueillie dans une ambiance des grands jours. Cette cérémonie en l'honneur de l'autre du jour est assez particulière avec des chants et danses pour souhaiter à matassar la bienvenue à Fayako. Fayako c'est mon village. C'est là où sont nés mes grands-parents, tu vois. Moi, je suis parti là-bas quand j'étais quand j'étais jeune, tu vois. Donc, euh, j'ai passé des bons moments là-bas. Mhm. Et voilà, euh, j'étais là-bas, je l'avais, je les ai trouvés un peu, un peu dans le besoin, tu vois. Même si c'était longtemps. Mhm. Donc, euh, j'ai j'avais toujours gardé dans ma tête que si je, si je deviens professionnel un jour, je vais venir aider le village parce que, voilà, moi, j'avais pas oublié ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette visite a été l'occasion pour Papa Pamatarsar de montrer son attachement à la localité, mais également de partager le projet qu'il a pour Fayako. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et j'en ai discuté avec mon papa. On est dans un projet, tu vois j'ai pas envie de révéler tout ce que j'ai envie de faire là-bas, mais franchement, j'ai des projets pour, pour le village. L'international sénégalais fait la fierté de toute une nation. Ses proches n'hésitent pas à lui rappeler d'où il vient et surtout de rester humble. Je lui ai toujours dit qu'il n'est pas le pape Matar d'avant. Maintenant, il est connu de tous et pour cela, il doit être un modèle et donner le bon exemple. Il a tout un peuple derrière lui, il le sait, et il travaille pour atteindre ses objectifs football football Le football demande de la concentration et beaucoup de sérieux. Nous nous battons tous les jours pour qu'il reste lui-même en travaillant dur pour avoir de très bonnes performances. Avec cette cérémonie d'accueil pour le joueur de Tottenham, marquée par diverses activités, Fayako a vibré au rythme de la culture serrère à travers ses chants et danses dont il est difficile de résister. L'actualité, c'est aussi le démarrage du baccalauréat général ce mardi au Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la visite de quelques centres d'examen. Il s'est félicité du bon déroulement des épreuves et affirme que 80% des nouveaux bacheliers seront orientés d'ici au 19 septembre 2024. Je vous propose de le suivre. Nous avons démarré au point E euh, avec le centre Serigne Fadilou Et puis nous sommes allés aussi au lycée Limamoulaï Et partout, le constat est le même, c'est qu'il n'y a aucun quoi, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun incident. Euh, pour le moment, aussi bien dans ces centres que sur euh, l'ensemble du territoire national. Donc nous pouvons dire que nous commençons le bac cette année sous de très beaux auspices et nous espérons que ça va, espérons que ça va continuer les premiers jours, les prochains jours. Vous voyez aussi que le taux de présence est assez intéressant. On vous a donné les statistiques ici autour de 98% de présence. C'est la même chose pratiquement au niveau national. Euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Et nous avons d'ailleurs un message spécial pour eux. Euh, parce que vous savez, normalement, euh, quand on a clôturé les listes du bac, il n'est plus possible de s'inscrire et que ceux qui font la session de remplacement d'octobre sont d'habitude ceux qui ont eu des motifs légitimes de ne pas se présenter. Cette année, sous les instructions du Premier ministre et à l'issue du conseil interministériel qu'on a organisé sur le BAC, nous avons décidé de donner une chance à ceux qui étaient forclos ce qui était fort c'est ceux qui auraient dû s'inscrire depuis janvier, qui ne l'ont pas fait pour une raison ou pour une autre. Normalement, ils n'auraient pas dû faire le bac. Nous, leur, nous allons leur donner la semaine prochaine la chance de venir s'inscrire pour faire le bac au mois d'octobre. Naturellement, ceux qui sont malades ou qui n'ont pas pu se présenter aussi auront leur chance pour la session de remplacement du mois d'octobre. Mais aussi, surtout, il y a beaucoup d'élèves, des milliers, qui n'ont pas pu faire le bac pour des raisons d'état civil. Nous avons décidé de réouvrir les listes pour leur donner l'opportunité de faire la session de remplacement au mois d'octobre. Je pense que c'est la décision majeure d'aujourd'hui. Maintenant, nous précisons que cette opportunité est ouverte pour ceux qui avaient des problèmes d'état civil, de vrais problèmes d'état civil pas pour ceux qui ont de faux extraits de naissance. Cela, on ne les acceptera pas au bac. Mais pour tous les autres qui ont des papiers en règle, mais qui pour une raison ou pour une autre n'avaient pas pu s'inscrire, nous leur donnons exceptionnellement l'opportunité euh, de se présenter au mois d'octobre. Donc c'est une décision du président de la République euh, mise en œuvre par le Premier ministre. Et moi, je reçois des instructions et je pense que tous les parents d'élèves doivent être conscients de cet effort que le gouvernement vient de faire. La période de réinscription sera très courte, sera juste après le bac. D'ici quelques jours, nous allons vous donner les informations et vos enfants pourront s'inscrire. Nous savons qu'il y a eu des cas dramatiques cette année d'élèves qui ont fait des études correctes, mais qui pour 10 000 raisons n'ont pas pu se présenter. Nous leur donnons la chance de revenir. Maintenant, sur le bac en tant que tel, euh, vous savez, depuis deux ou trois années, on a des résultats très intéressants, autour de 50-51%. Nous espérons cette année que nous allons avoir, au pire des cas, le même résultat, peut-être même mieux, ce qui veut dire que nous attendons entre 80 000 et 90 000 bacheliers. Voilà, docteur Abdourahman Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au micro de Badessec. Tout de suite, le trésor des régions, et c'est juste après ça. À Kaolac, le gouverneur de la région a présidé la réunion du Conseil régional de la consommation. La rencontre a permis de déterminer les prix des produits concernés par la baisse. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le respect strict des mesures. Claire Diop. Conseil régional de la consommation tenu ici à Kaolac, la réunion a permis de déterminer les nouveaux prix plafonds des produits alimentaires concernés par la baisse aussi du ciment. La démarche a consisté à travailler sur la structuration des prix en intégrant les différentiels de transport. Il s'agit donc de l'application des nouvelles mesures de baisse donc qui concernent le riz ordinaire, l'huile raffinée, le sucre cristallisé, la farine le pain et également le ciment. Donc nous avons tenu des travaux préparatoires avec les différents acteurs, notamment les associations de consommateurs, les associations de commerçants. Cela nous a permis donc d'aboutir à ces prix qui ont été présentés tout à l'heure. Et concrètement, il a été retenu Pour l'huile, donc le bidon sera vendu à 19 140 francs et 1000 francs le litre au niveau du détail. Pour ce qui est du riz brisé ordinaire, donc le sac de 50 kg sera vendu à 19 600 francs et 420 francs le kilogramme. Donc pour le sucre, le sac sera vendu à 29 200 francs et le kilogramme à 610 francs. Donc pour la farine de type 55, le sac sera vendu à 15 530 francs et la farine améliorée à 16 30 francs. Pour le pain, donc, nous avons travaillé sur la baguette de 190 grammes qui était vendu à 175 francs, donc nous, nous, avons ramené à 180 grammes, qui sera vendu à 150 francs. Pour le ciment également, on a enlevé les 2000 francs donc, de taxes, donc pour avoir les prix qui sont applicables dans la région. Sur le terrain, pour le respect de ces mesures, des dispositions particulières sont prises. Campagne de sensibilisation, d'information et d'affichage sur les nouveaux prix. Mais pas que, plusieurs acteurs sont aussi mis à contribution les volontaires de la consommation sont mis à la disposition donc, des services du, du, commerce. Donc naturellement, ils vont nous accompagner. Les forces de défense et de sécurité également doivent être à nos côtés à toute réquisition. Les populations dans leur majorité également, parce que c'est eux les premiers consommateurs. Et nous les invitons surtout à nous informer donc, des situations qui seront en porte-à-faux avec la, ce qui sera décidé ici. Donc vraiment, ce sera ce cocktail-là qui nous permettra d'avoir effectivement des prix qui seront appliqués et ce qui aura forcément donc un impact très positif sur, le panier donc de la, ménagère. Le gouverneur de la région de Kaolac a présidé la rencontre. L'autorité de sensibiliser toutes les parties prenantes, un engagement sans faille pour le respect des mesures prises, aussi une application effective prônée. À Kaolack, l'entrée en vigueur devrait être effective dès ce lundi 1er juillet 2024. Et pendant ce temps, à Thiès, les agents du service du commerce vérifient l'application des nouvelles directives sur l'huile, le sucre, le riz, le pain et le ciment, constatant une baisse effective dans l'ensemble. Les commerçants, eux, expriment leur satisfaction quant au prix affiché. Fatma Banelba. Les services du commerce de Thiès ont procédé à la saisie de ces sacs de sucre car le commerçant n'a pas respecté les nouveaux prix édictés par le gouvernement du Sénégal. Et il en sera ainsi pour toute personne qui déroge à la règle. Nous sommes au marché central de Thiès où une trentaine d'agents a été mobilisés ce matin pour vérifier l'effectivité des prix, suite au Conseil régional de la consommation tenu il y a trois jours. Ce qu'on a pu constater pour le moment, c'est qu'effectivement, il y a un niveau satisfaisant d'application des prix. que nous avons déjà constaté avant même la tenue du Conseil régional de la consommation. Mais il est toujours bon quand même comme dit l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle, qu'on puisse aujourd'hui descendre sur le terrain pour nous assurer effectivement que les prix sont en train d'être appliqués donc au bénéfice des populations. effectivement, aujourd'hui, sur pas moins de 50 euh, euh, commerces visités, on a pu pour le moment constater que deux infractions. L'une, les deux concernent donc le sucre et le reste, donc c'est sous la farine. La plupart des commerçants rencontrés sur le terrain saluent l'initiative prise par le gouvernement du Sénégal et ils comptent bien respecter les nouveaux prix au plus grand bonheur des consommateurs. La présence du service de commerce, ça nous, ça réconforte. Dans le temps, quand, vous, voyez le service de commerce, c'était autre chose. Donc, euh, <laughs> ça, faisait. voilà. Donc, euh, tu, te plaignais à ah, Mais maintenant, on sent le service de commerce que ils, viennent pour nous aider à mieux travailler notre commerce. La semaine dernière, j'avais un stock que je n'avais pas encore. Euh, donc, il fallait que j'écoule ce stock pour que je puisse commencer le nouveau prix. Cependant, une légère tension est notée sur le prix du sucre cristallisé, mais le chef de service du commerce rassure que tout va rentrer dans l'ordre. Ici, à Kies, il n'y a pas d'importation. Nous n'avons que trois stades de commerce le stade gros, le stade demi-gros et le stade détail et le forfait le différentiel de transport ainsi que les marges ont, été appliquées en fonction de ces trois stades de, euh, le problème c'est qu'il y a des commerçants qui veulent qui, veulent être à la fois donc grossistes demi grossistes et détaillants et ce que la loi interdit formellement donc s'ils se réfèrent donc, euh, il respecte donc, euh, euh, le stade de commerce. Il ne saurait y avoir de difficultés par rapport à, la... Parce que les marges bénéficiaires, aussi bien, aussi bien les marges bénéficiaires que le différentiel de transport a été appliquées appliqué sur les prix de façon consensuelle. Dans une mutualisation des forces et des moyens, les agents du service de commerce comptent se déployer dans les grands quartiers et autres départements de la région de Thiès. Et en cas de constatation de non-respect de la loi, une saisie du produit sera tout simplement effectuée en Casamance, cœur de la production sénégalaise de noix de la campagne de transformation est sous le signe de la rareté cette année. Les transformateurs font face à une pénurie et à des prix élevés de la matière première, suscitant l'inquiétude dans le secteur. C'est un grand format signé Abdoulaye Sinkari. Dans la seule usine de transformation d'Anakar de Ziguinchor, c'est le calme plat. Pas de travailleurs et les machines sont à l'arrêt. Elimandramé n'a pas encore démarré ses activités car les noix sont trop chères sur le marché. Il y a une forte compétition euh, sur la matière première. Les, acheteurs euh, exportateurs sont là. Il y a plus de 60 compagnies qui sont installées à GNC pour acheter la matière première, alors que la production n'est pas bonne cette année. Et donc, euh, du coup, les prix ont flambé et c'est allé à un niveau tel que nous ne pouvons pas faire face. Présentement, nous sommes à 800 francs au niveau des champs et à 850 francs rang du Giganshore. L'année dernière, par exemple, on était entre 300 et 350 du Giganshore à pareil moment. Pour tourner toute l'année, Eliman a besoin de 1500 tonnes minimum, alors que pour l'instant, il n'a que 10 tonnes en stock. Présentement, c'est catastrophique parce que euh, nous ne pouvons pas transformer si ça continue comme ça. Nous, avons déjà commencé à acheter une quantité vraiment très petite, une dizaine de tonnes. Nous avons besoin au moins de 1500 tonnes pour fonctionner. Imaginez, 1500 tonnes. Et euh, ce que nous avons, c'est ridicule. C'est quelque chose juste pour euh, un à deux jours de fonctionnement, pas plus. C'est un énorme manque à gagner pour ce transformateur qui, en temps normal, emploie jusqu'à 130 personnes. Nous avons des charges fixes qui sont énormes et du coup, c'est des pertes euh, énormes par jour. Ça nous fait 950 000 francs de pertes par jour si on ne travaille pas. Vous voyez bien, c'est énorme. Sans compter euh, le risque de perdre certains clients même. Les prix sont à 860 hier, le prix au kilo le la transformation. Tu ne peux pas acheter ça pour transformer et vendre ça, être compétitif. Ce n'est pas possible. Parce que la transformation, c'est toute la chaîne. Il y a l'eau, l'électricité, les employés, tout, tout, tout, tout, qui tourne autour. Mais si c'est à 860, vous voyez ce que ça donne. Alors encore, tu n'as pas la production. Tu n'as pas la production. Pour accompagner la transformation, les acteurs préconisent un système de bonus qui a donné des résultats ailleurs. La Côte d'Ivoire, euh, déjà en 2014, a lancé un système euh, d'incitation à la transformation locale. Et pour cela, ils ont fixé des taxes à l'exportation. Et cet argent-là est utilisé pour rémunérer le transformateurs qui transforme euh, le cajou et exporte le produit fini à, raison de 400 000 par tonne de bonus pour le transformateur euh, Booster la transformation, c'est ce que veut l'État à travers l'agropole sud qui ambitionne de porter le faible taux de transformation des noix à 30%. C'est estimé à peu près pour l'anacar à moins de 5%. Aujourd'hui, moins de 5% de l'anacar s'est transformé. Et le projet euh, ambitionne quand même de le déporter à 30% comment faire pour qu'au moins 30% de la production puisse être transformée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un objectif qui est devenu national, mais aussi sous-régional. Avec la transformation, le Sénégal va mieux tirer profit de cette filière. La campagne 2022, 2022 je pense qu'il y avait à peu près 81 000 tonnes qui avaient été exportées en mois brut au niveau du port de qui C'était estimé à peu près à 54 milliards qui étaient injectés mais 54 milliards, c'est important, mais ça ne représente même pas 3% de la valeur ajoutée que le Sénégal peut capter sur l'anacarde. Oui, ça même pas 3% de la valeur ajoutée que le Sénégal pourrait capter. Et c'est en fait un peu l'objectif des, autorités pour permettre aux Sénégalais et à l'État de pouvoir mieux tirer profit de cette filière. Pour assurer la disponibilité des noix à transformer, l'Agropole Sud compte s'appuyer sur les exploitations familiales. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit pour ceux qui sont à table, bien sûr. Sénégal ni ngeen ko xàmmee ci bopp réew mi jubban